13 novembre 2023. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou, chers auditeurs auditrices. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Ali Moukela Ousseni alias Seno et avec moi Rakia Arimi. Rakia, comment vas-tu ce matin Je vais bien, Seno, et toi Ça va bien, Dieu merci. Nous entamons notre émission avec le flash suivi euh, de notre playlist musicale 100% Mad in Niger. L'invité du jour est un universitaire en la personne euh, de M. Ibrahim Teshi Abdulaziz, étudiant en deuxième année de master au département de linguistique et sciences de, de langage voilà, à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Il est également le coordinateur du club des étudiants en linguistique. Avec lui, nous parlerons des diversités linguistiques au Niger. Ce numéro inclura le cours de région, la rubrique hebdomadaire Justice de lundi, la chronique loti et le sport et la page sport, sans oublier évidemment le message des auditeurs. Et oui, un coucou à toute l'équipe rédactionnelle qui nous permet de vous présenter cette émission. C'est parti. Sans tarder, voici le flash d'information présenté par Rafika Touataher. Bonjour Rafika. Bonjour Akia, comment ça va alors, pour ce matin, le Premier ministre Mohamed Ali Laminzen a pris par les 10 et 11 novembre à Riyad, en Arabie Saoudite, au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique. L'occasion pour le chef du gouvernement de la transition de porter la voix du Niger sur les défis auxquels le pays fait face actuellement, ainsi que des nouvelles perspectives suite aux événements du 26 juillet 2023 la présence du Niger à cette rencontre constitue une occasion privilégiée de mettre en lumière les opportunités d'investissement en Arabie saoudite et en Afrique et répond aux préoccupations et aux priorités du Niger en particulier. Mohamed Lamine Zen a invité tous les partenaires à venir partager avec le Niger ses perspectives heureuses dans le cadre d'un partenariat qui se veut gagnant-gagnant. En marge de ce sommet, le Premier ministre de la Transition a eu divers entretiens avec les partenaires en vue de renforcer une nouvelle coopération et a décroché auprès du Fonds saoudien pour le développement une somme de 28 millions de dollars pour soutenir l'éducation nationale au Niger. Dans un élan de solidarité et d'amitié, la République de Turquie a mis à la disposition du Niger une importante quantité de produits pharmaceutiques et de matériels médicaux destinés aux soins de la population nigérienne, un besoin exprimé par nos autorités pour l'ambassadeur de la Turquie au Niger, le Niger a fait preuve de résilience remarquable face aux sanctions économiques et financières qui lui ont été imposées injustement, entraînant des conséquences diverses, dont celles humaines. Il espère que la coopération entre les deux peuples continuera de se renforcer au bénéfice des populations en mettant un accent particulier sur l'investissement en matière de production des produits pharmaceutiques. Enfin, le Niger se joint à la communauté internationale pour célébrer la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat édition 2023 qui se tient dans un contexte particulier, celui de l'affirmation de la souveraineté et de l'indépendance économique du Niger. Et dans ce genre de situation, l'entrepreneuriat doit jouer un rôle important, estime le ministre du Commerce et de l'Industrie. À cette occasion, le ministre du Commerce et de l'Industrie, en collaboration avec le réseau des structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat au Niger a organisé une journée d'échange entre les acteurs du domaine. Le ministre a reconnu que les petites et moyennes entreprises constituent l'essentiel du tissu économique du Niger, d'où selon lui l'intérêt particulier que le gouvernement accorde à l'entrepreneuriat qui devient de plus en plus une alternative pour la création d'emplois et de réduction de la pauvreté. C'est tout pour ce flash. Merci, infiniment, Rafika. Comme annoncé, euh, nous sommes avec euh, Ibrahim Teshi Abdulaziz étudiant en master, en deuxième année de master au département de linguistique. Il est également coordinateur du club des étudiants en linguistique à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Bonjour Aziz. Bonjour, Céline. Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Avec vous, nous parlerons de la diversité linguistique au Niger. Mais, avant d'entamer, nous découvrons ensemble le premier morceau de notre playlist intitulé Mondio. cher auditeur, Munjo est une chanson sorail des jeunes filles de Tilaberi accompagnée par le célèbre artiste, chanteur, compositeur et flûtiste Munkeila Yakuba, plus connu sous le nom de Munjo. Parlant de cette chanson populaire que nous écoutons, c'est le Munkele Yakoba, c'est surnom qu'il porte Munjo et le nom d'un grand éleveur de son village qui possédait des troupeaux d'animaux. Oui, les musiciens de son village, euh, Tam, Tamtala, lui ont également dédié cette chanson. Et comme lui-même aime l'élevage, on l'a surnommé euh, comme cet éleveur grâce au titre Munjo. La troupe musicale de Tilaberi a remporté le deuxième prix du premier festival d'Angourmou à Zander. invité, alors euh, pour commencer, quelqu'un qui ne connaît pas le Niger, comment lui expliquerez-vous notre diversité linguistique, Abdelaziz D'accord. Merci euh, pour la parole donnée. Mhm. Euh, d'abord, comme vous m'aviez déjà présenté, mais quand même, je dois me présenter. Mhm. Je réponds au nom de Ibrahim Tichi Abdelaziz, étudiant en deuxième année de master mhm. au département de linguistique et sciences langage de la faculté de et des sciences humaines de l'université de Niamey. Actuel euh, coordinateur du club des étudiants en linguistique et sciences langage. Mhm. Voilà. Et au nom du département et de tous les membres du club, je vous remercie euh, pour l'invitation euh, à l'endroit de tous les personnels du mhm. studio Kalangu. Voilà. Et quand on parle, la première question dit la diversité linguistique Prenons d'abord le mot diversité. Quand on parle de diversité, on parle de plaisir. Mm. Euh, le Niger est un pays qui compte au total 10 langues nationales officialisées. Mm-hmm. Des langues qui ont été, c'est-à-dire, euh, reconnues par l'Assemblée nationale. Mm. Où il y a une euh, onzième qui est en cours, qui est le Tagdal. Les langues nationales, on a 10 langues nationales, plus la onzième, on a les Hausa, les Arma, les Kanuri, les Fulfulde, les Tmajek, les Tassawak, les Toubou, les Boudouma, les Goulmanchema, l'arabe est la onzième langue qui mhm. n'est pas encore reconnue, mais qui est là, qui est le Tagdal. Le Tagdal. Le Tagdal. Ok. Oui, oui. Voilà. Et donc, euh, quand on dit diversité linguistique, alors on dit plusieurs langues. Mm. Mhm. Et tant qu'on dit plusieurs langues, on dit plusieurs cultures. Exactement. Mm. Qui parle de la langue parle de la culture. Qui parle de la culture parle de la langue. On dit que la langue véhicule la culture. La langue véhicule la culture. On dit que la langue et la culture sont comme l'envers et le revers d'une même médaille. qui délaisse sa langue, délaisse sa culture. Alors, quand on dit diversité, ici je peux revenir, la diversité, donc on a plusieurs, on a 10 langues, ou bien 11 langues, donc on a à peu près 11 cultures, hum. où ces cultures ont des sous-cultures. Hmm. Voilà. Quelques présentations. Super, super. Alors, euh, dites-nous quelle importance revêt cette diversité linguistique au Niger Voilà. Euh, la diversité, euh, l'importance vraiment, une, deux langues ne permettront pas à un pays de développer. Une ou deux langues. Une ou deux langues. D'accord. Il faut euh, forcément plusieurs langues. voilà. Certaines, <laughs> certaines nous demandent au département hmm. pourquoi ne pas travailler avec une seule langue. Une seule langue, c'est-à-dire prendre une seule culture, partir avec ça. Hmm. Et alors qu'on a plusieurs langues, quand on a plusieurs langues, ça veut dire qu'on va découvrir plusieurs choses, plusieurs cultures. Mhm. Imaginez lors d'un défilé quand mm. on dit de présenter les communautés linguistiques nigériennes. Mm. Les Hausa viennent avec leur culture, les armes, ainsi de suite. C'est un plaisir mm. pour, pour nous. Et aussi, ça permettra de garder le patrimoine culturel en C'est-à-dire le patrimoine culturel lequel <coughs> Dans un contexte de crise, dans un contexte d'insécurité, les populations ont quelque chose qui les a réunis depuis et qui est là et qui continue. Entre autres, on peut parler du cousinage à plaisanterie. Mhm. Aujourd'hui, moi, je suis un Hausa, mhm. plus précisément euh, ressortissant de Filingué. Mhm. Quand je croise un, Hausa ressortissant de, de, de, je peux les taquiner comme je veux. <laughs> je peux les taquiner. Aujourd'hui, un Maori peut taquiner un peu comme il veut. Donc, vous voyez cette diversité, ça fait en sorte que dans le même pays, malgré qu'on le c'est-à-dire qu'on n'est pas de la même communauté linguistique, mais le patrimoine culturel a fait que nous nous réconcilions sans guerre, sans problème. Okay. La paix entre nous. Mm. Abdelaziz, comment le club des étudiants collabore-t-il avec les communautés locales pour se documenter et préserver les langues régionales du Niger Le club collabore avec certains organismes dans la documentation et la préservation des langues régionales. Mm-hmm. Par exemple, nous avons CELTO, Centre d'études linguistiques, historique par tradition orale. Mm -hmm. Bon, nous, nous, procédons à la recherche des corpus. Quand on dit corpus, tout étudiant en linguistique, quand il dit corpus, mhm. c'est-à-dire un ensemble de quelque chose qui va te permettre d'aboutir ton objectif. Exactement. Mhm. La première des choses qu'un linguiste doit tenir en compte, c'est d'écouter. Mhm. Quand tu écoutes, tu décris. Aujourd'hui, je peux venir, par exemple, partir au niveau du CELTO, mm. si on me transmet un travail, tout en description des langues, mm. je ne connais pas la langue quand je passe au CELTO, il y a des documents. Si la documentation ne me va pas, je peux aller écouter la sonorisation et aller son là-bas. Mm-hmm. J'écoute, je décris, je fais mes collectes. Mm. Je fais mes collectes. C'est à travers cela, à travers le corpus, la recherche du corpus, que les étudiants ou bien le club procèdent pour euh, chercher à garder le patrimoine, à collecter l'histoire des langues. Alors, euh, je pense qu'on va faire une petite pause avant de, revenir euh, euh, sur nos questions avec Abdulaziz. Je rappelle qu'il est le coordinateur du club linguistique. Alors, on va écouter cette fois-ci le titre. C'est quel des titres déjà Troupe École. Troupe École Toudou. voilà. C'est parti. Lila. Thank you. avec notre invité Ibrahim Teshi Abdelaziz. Alors, quelle est la première langue nationale du Niger et surtout comment expliquer cela Voilà, la première langue nationale du Niger, euh, je vous repose la question du point de vue ancienneté ou bien parlé, ou bien actuel maintenant. Euh, ancienneté. <laughs> Ah, ancienneté il y a deux, il y a parler, il y a ancienneté. C'est-à-dire la première langue, selon les collectes, ou bien la, première, la première langue débutée au Niger. Oui. oui. C'est ça la question. Ouais. Ah là, là vraiment, je ne peux pas dire voici la première langue parce que euh, mhm. la politique linguistique mm <laughs> interdit ce genre de choses. Ok. Parce que euh, on peut dire la première langue parlée au Niger, on peut dire que c'est la Hausa. Mm. Là, ça, il y a beaucoup de choses dans l'histoire, mais ah oui clos, comme la politique linguistique interdit ça, mm. donc euh, on doit fermer les clos. <laughs> C'est un débat, on est là pour chercher le patrimoine mm-hmm. culturel. Mm-hmm. D'accord, il n'y a pas de souci, il a pas de souci. Alors nous venons d'écouter euh, la troupe Toudou. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire, euh, c'est dans quelle langue cette troupe chante c'est dans la langue magique. Ah, c'est la langue tamajac. <laughs> <laughs> ok, d'accord. Alors, euh, est-ce qu'il y a des œuvres écrites disponibles pour l'histoire des langues Sinon, comment faites-vous euh, Vous, les étudiants, je vais dire, euh, du département de linguistique. Voilà. il, il, existe bel et bien des documents en langue et au club calculisé il y a, euh, parmi les documents que je peux citer, il y a un document qui parle sur euh, langue africaine, histoire des langues africaines. Dans ce mhm. passage, il y a là où on parle des langues nigériennes. ok Voilà, on retrace euh, en bref l'histoire des, des, des, des, dix langues nigériennes. Mm. Voilà. Et aussi, nous avons des documents qui ils sont écrits en langue. Par exemple, on prend une histoire qui a mm. été écrite parmi euh, les histoires. On a dans la langue on a un document nommé Rouen Bagaja. Mhm. Il y a mm, Gumbardouze, mhm. Voilà, il y a autre, j'ai un peu oublié. En on a Dali Fatou, histoire, euh, une, histoire d'une jeune fille qui a été décrite en langue écrite. Mhm. Et aussi, il y a les mémoires qui sont soutenues au département sur les langues. Euh, sur l'option description, on décrit la langue, on fait dégager. Euh, quelques aspects de la langue, étudier et à proposer des solutions. Et aussi à l'option sociolinguistique. D'accord. L'évolution de la langue, le contact de la langue dans la société. Alors, dites-nous comment le département de linguistique euh, de l'Université Aboum de Niamey contribue-t-il à la préservation des langues locales au Niger Voilà. Euh, le, département de linguistique et sciences langage euh, contribue surtout du point de vue de, de la description des langues. Le département décrit les langues. Hmm. C'est-à-dire, au département, nous, nous faisons, nous n'apprenons pas les langues. On est là pour étudier les langues. Quand on dit étude de la langue, ce comme dit, on dit de venir étudier la morphologie, la syntaxe, euh, la lexicologie, tout ce qui relève de la langue, hmm. étude de la langue. Donc, vous voyez, euh, si je peux vous me permettez de raconter euh, quelque chose, on dit que les Européens ont dit que l'Afrique n'a pas d'histoire parce que l'Afrique ne disposait pas de documents écrits. C'est-à-dire, qu'est-ce qui prouve cela C'est-à-dire, les langues africaines ou bien les langues locales africaines n'ont pas été décrites. C'est-à-dire, il n'y a que l'oralité. Hmm. Il n'y a rien de l'écrit. Donc, pour écrire, pour écrire, il faut, c'est pas bizarrement comme ça qu'on va écrire, c'est quoi l'entend. Mm. Comme si vous voyez aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un d'écrire en Hausa, Dandano, il met Dandano. Mm. Tout ça, c'est des problèmes. Donc, le département de linguistique et sciences langage est là mm-hmm. pour, euh, c'est-à-dire faire <coughs> la description, permettre à mieux comprendre la description des langues. D'accord. De l'autre côté aussi, euh, là pour faire comprendre qu'est-ce qui fait que telle langue évolue en laissant l'autre, qu'est-ce qui fait que telle langue à des mois après ou autre. Là. <laughs> voilà. D'accord. Alors, en tant que euh, coordinateur du club des étudiants en linguistique, quelle initiative avez-vous initiée pour promouvoir les langues à l'université Abdoumouni et ensuite au sein de la communauté en général Voilà. Et parmi, euh, super, parmi les activités que nous entreprenons au mm. club, mm. il y a, comme vous le savez, chaque année, nous organisons une journée qui est dédié euh, à l'endroit des étudiants du département. Mhm. Et l'objectif général de cette journée n'est rien d'autre que la promotion des langues nationales. Faire la promotion des langues nationales, à ramener les gens à comprendre que les langues nationales ont une importance primordiale mhm. et qu'à travers ces langues, on peut développer. Parce que certains pensent que les langues nigériennes ou bien les langues locales n'ont pas de développement, elles ne sont que des langues de communication. Mhm. Voilà. Et quels sont les défis auxquels le département de linguistique et le club des étudiants sont confrontés dans leurs efforts pour promouvoir la diversité linguistique, Abdelaziz Voilà, euh, si je peux dire, le département fait face à des problèmes comme le fait que le gouvernement ne prend pas en compte l'objectif général. Si je peux dire, quand je dis le gouvernement, <laughs> c'est pour mhm, mhm. globaliser. Il ne s'intéresse pas à ça. Parce que s'il si s'intéresse... Euh, je peux dire s'il s'intéressent aux langues nationales, c'est le département de linguistique qui sera le premier département de l'affecté, en termes de, tout. On manque, on manque les documents au département. C'est que les étudiants n'ont pas des documents auxquels ils peuvent aller chercher à connaître comment se fait l'évolution des langues, comment telle langue et telle langue font face dans la société. Il y a aussi parmi les problèmes le fait que les étudiants qui sont acceptés au département en première année, on peut prendre 200 étudiants acceptés en linguistique. Mhm. D'autres, parmi les 200 là, d'autres, quand ils voient le mot linguistique, ils pensent que c'est l'anglais. Ils vont euh, mettre ça et à la fin de compte, ils vont comprendre qu'on dit que c'est le département où les langues, on étudie les langues. Hmm. De là, ils vont se décourager. 200 en première année, à la rentrée, on se retrouve avec 80. Hmm. Parmi les 80 là, il n'y a que 50 qui sont d'accord d'étudier. Hmm. Les 30 là où les 20 restants, c'est parce qu'il manque les moyens pour aller étudier ailleurs. Hmm. Je pense que les langues n'ont pas de valeur. Parmi même les préjugés, on va dire, j'ai quitté chez moi, étant Hausa, Zarma, qu'est-ce que je peux venir faire, encore après mon bac, faire euh, étudier une langue Hausa hmm. Ça n'a pas d'importance. Des camarades nous ont dit ça au club, on a dit, attendez, patientez. Le premier jour où Parmi les étudiants, ils, ont été évalués en Zarma. Hmm. Une parmi elles m'a retrouvé au club pour me coordinateur, le sujet que l'enseignant a amené, je jure que même si tu es Zarma, locuteur natif, tu ne peux pas traiter ça. <laughs> Il faut d'abord étudier la langue. Alors, existe il euh, des exemples concrets de réussite ou la collaboration entre le département de linguistique, euh, le club des étudiants et les communautés locales a eu un impact positif sur la préservation des langues. Des raisons concrètes. Mm, oui, voilà. rapidement. Voilà. Parmi les <laughs> raisons concrètes, je peux dire que euh, l'année euh, l'année surpassée, nous avions eu à envoyer euh, cinq étudiants mhm. dans les écoles bilingues pour aller observer, observer, voir comment se fait l'enseignement dans la langue nationales. De là, nous avons compris que réellement, ce qui est bon à faire, c'est de revoir le système éducatif, surtout au niveau du code, le code de du schéma de la communication de Jacobson. Mm. Le code, c'est là où on dit les compétences linguistiques. On a compris que vraiment, vraiment la meilleure solution, c'est d'utiliser la langue nationale dans l'enseignement de l'enfant, ou bien la langue maternelle de l'enfant. Mm. Et parmi euh, les raisons concrètes, nous, nous avons procédé à la correction de certains écrits que font certains qui ne sont pas des linguistes. Là où ils ont confirmé que vraiment le département de linguistique a, une importance euh, vraiment. C'est-à-dire, ils ont écrit des documents ou bien ils ont écrit des histoires qui ils l'ont écrit à caractère français, mais en français. Normalement, pour garder le patrimoine culturel, pour garder, sauvegarder l'unité de nos langues, ou bien l'importance de la langue, il faut respecter l'orthographe des langues. Tel que l'orthographe, euh, les experts ont adopté tel écrit, telle écriture à la langue, donc ils veulent. La meilleure chance, c'est de respecter cela. Mm-hmm. Donc, euh, cela a fait que certains ont compris que <coughs> notre travail est vraiment important pour eux. D'accord. <laughs> <laughs> Alors, euh, pour finir, parce que le temps est contre nous, ah quel message ou conseil souhaitez-vous partager avec euh, les Nigériens sur la diversité linguistique D'accord. Et premièrement, donc, c'est aux autorités que je vais dire. Euh, D'abord, il n'a qu'à prendre, valoriser les langues. On mm. dit on est dans un contexte d'impérialisme. Mm. On dit qu'on chasse les Français. <laughs> Mais pourquoi les Français ne ah pas bon? Pas chasser le Français karma. Ok. <laughs> Deuxièmement. Tu comprends. D'accord. <laughs> Euh, c'est de dire aux étudiants d'accepter d'étudier dans la langue mm. Ça a une importance. Je les lance appel à l'endroit des artistes. Écrivez les histoires dans la accepter de chanter dans la accepter de transmettre les messages dans la mm. Cela permettra à ce que on se développe. Voilà. Merci, infiniment Ibrahim Teshi Abdulaziz d'avoir non seulement répondu présent à notre invitation, nous vous souhaitons une excellente, journée. <laughs> C'est le moment pour nous d'attaquer. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est nous, c'est le moment pour nous d'attaquer notre euh, rubrique hebdo et nous sommes lundi. Nous allons parler justice, n'est-ce pas Exactement, Rakia. Nous parlons du rôle que joue la police judiciaire. La police judiciaire est un organe de la justice avec pour mission l'investigation, enquêter sur euh, des infractions. Elle peut même recourir à des gardes à vue de perquisition et de saisie Son action est de par le procureur de la République. Pour en savoir plus, suivez les explications du magistrat Atahir Liman Ahmed, interrogé par Anissé Karim. La police euh, judiciaire est un organe qui est chargé, suivant les distinctions établies par la loi, de constater les infractions à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs tant qu'une information judiciaire n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations de juridictions d'instruction et défère à les réquisitions. Quelle est la composition de la police judiciaire La police judiciaire euh, est composée des officiers de police judiciaire, des agents de la police judiciaire, judiciaire et des fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Maintenant, c'est la loi elle-même qui détermine euh, qui a la qualité d'officier de police judiciaire, qui a la qualité d'agent de police judiciaire et à qui elle entend attribuer certaines fonctions de police judiciaire. Et quels sont les actes de la police judiciaire La police judiciaire euh, accomplit des actes qui sont de nature euh, à faire la lumière sur des cas d'infraction qui leur sont signalés. Donc, on peut dire que c'est ces actes sont des actes d'enquête qui vont des constatations matérielles des crimes et délits à la saisie des objets ayant servi à la commission des crimes ou des objets pouvant servir des pièces à conviction. Elle fait également ce qu'on appelle des perquisitions, des visites et domiciliaires et des saisies des pièces à conviction. Voilà, ça peut aller au-delà. Qui contrôle la police judiciaire Suivant l'article 12 de notre code de procédure pénale, la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République et par les officiers, fonctionnaires et agents désignés par la loi. Elle est placée de chaque ressort de la Cour d'appel sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la Chambre d'accusation. Une personne est mise euh, en garde à vue s'il existe euh, des raisons valables de penser qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou bien elle a participé comme co-auteur ou comme complice à la commission ou à la tentative de commission d'une infraction. Et l'infraction reprochée doit être un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement quelle est la durée d'une garde à vue Suivant l'article 71 euh, de notre Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue est de 48 heures, mais elle peut être renouvelée sur autorisation écrite euh, du procureur de la République. Dans certaines matières, euh, les délais peuvent être plus longs, par exemple en matière de terrorisme. Il peut aussi être plus court dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'il s'agit d'un mineur. Je finis ça, je vais à voilà, mesdames et messieurs, à présent, c'était bien euh, notre rubrique hebdomadaire Justice. Passons ou disons poursuivons avec euh, de la musique et cette fois-ci nous vous proposons Mon retour de l'artiste Rachidi. Young Phone nous sommes au bon. Je suis de retour. faut que ta y'a, y'a nous a validé, Et régler tous vos réglages. Le game, je l'ai pocholisé. Faut pas te fâcher, mais toi aussi. Y'a même quoi dans jalousie. Tu dis que je suis pas l'auteur de mes chansons, Wakana ou va Iba, voto va Iba, voto pour me faire détester C'est avec humilité que, je rappe pour l'humanité Dès les débuts j'ai pas hésité Aucune aucune animosité Mon spécialité C'est de gagner gagner dans mon C'est quand l'album sortira que tout le monde sera satisfait Laissons place à l'unité Ceux qui m'ont toujours validé Les faux, les vrais, y a trop de personnalités Dieu, merci, j'ai l'album que je voulais euh, big up à tous ceux qui nous aiment pas. <laughs> Super Z, Z, no. La source de cette musique. Voilà, Rachid Alpha Plus, euh, connu sous le nom de Rachidi, est de retour dans le monde rap après une longue absence. Le prince fait enfin son grand coming back avec le titre Mon retour que vous venez d'écouter. En tout cas, la chanson illustre bien son action. Place à l'écho des n'est-ce pas, Seymour Oui, Rekia, direction Zander pour parler des activités économiques que pratiquent de nombreux jeunes dans la ville. Des jeunes Nigériens exercent plusieurs activités économiques dans la ville des Zander, très actifs dans le commerce ambulant. Ils sont en train de ils sont en train de même supplanter le jeune nigérien et cela n'est pas sans conséquence selon un sociologue interrogé par Mustafa Mamassani. Dans la ville de Zender, on constate la présence des vendeurs ambulants, majoritairement des personnes venues du Nigeria voisin qu'avec ou sans profil, le constat du sociologue Mamansani Rufai explique leur présence dans ce secteur d'activité. À l'absence euh, des statistiques sur l'ampleur de ce phénomène, parce qu'il faut appeler ça comme ça, on peut dire qu'ils sont assez nombreux. Et depuis un certain temps, on constate un requin de leur présence et si on cherche à établir un profil de ces personnes, on peut les catégoriser en trois parties. D'abord, il y a des migrants qualifiés qui sont présents au niveau de la construction, au niveau de la mécanique. Et il y a des migrants qui ne sont pas qualifiés et qui détiennent des activités de l'artisanat, notamment la couture. Maintenant, l'autre catégorie, celle qui concerne particulièrement les endroits parce que c'est la plus visible, c'est les vendeurs ambulants, notamment au niveau des taillants. Il faut expliquer expliquer les regains de leur présence à Zander par la conjoncture économique que traverse actuellement le Nigeria avec la chute des nera avec euh, les retraits de la subvention sur les prix des hydrocarbures et avec d'autres problèmes liés à la sécurité transfrontalière, ce qui fait que donc euh, ces gens-là sont en train d'affluer massivement vers le Niger, ce qui est un phénomène inverse parce que d'habitude c'est les Nigériens qui vont au Nigeria. Anas Haruna est réparateur ambulant de machines à coudre que nous avons rencontré. Il vient de l'état de Kano au Nigeria. Il sillonne la ville de Zender pour proposer ses services aux tailleurs disposant des machines en panne. Il explique les raisons qui l'ont poussé dans cette aventure. na zo ina gyara a nan kuma nan nake rayuwa ta dai na dan yi kaman wata uku gaskiya a yanzu dai kuma har ga Allah har yanzu dai ba a samu keken dai da aka ce ya dan gagare ni ba lokacin da nake dinki sai na ga ai yawanci a cikin Afirka akwai tiloli amma masu gyaran ba su da yawa sai na koma sai na koyi gyara to daman na sa a zuciyata 2023 insha Allah zan bar Najeriya zan shigo Nijar Notons que ces personnes occupent d'ores et déjà plusieurs secteurs de l'économie de Zender et ont réussi à supplanter les jeunes Nigériens, estime le sociologue Mamansani Malam ce genre de phénomène, il a toujours des conséquences sociales dont l'impact reste à mesurer pour le moment. D'abord, euh, au niveau de la culture sociale, parce qu'on remarque qu'il y a de plus en plus une féminisation de ce phénomène. Avant, c'était des hommes qui venaient, mais cette fois-ci, on remarque aussi des femmes qui traversent les frontières pour venir exercer des activités. Et souvent, ces femmes-là, souvent, euh, pratiquent souvent la prostitution. On peut entrevoir le chômage pour nos jeunes, parce qu'ils sont en train de prendre la place de nos jeunes, notamment certaines activités que nos jeunes, les jeunes nigériens ne veulent pas faire et ils le font. Comme vous l'avez, je vous l'ai dit, c'est des commerces euh, ambulants, la vente des fruits et légumes, la vente des produits traditionnels, la vente des habits. Mais l'impact n'est pas que négatif, il peut être aussi positif, puisque ils viennent avec des produits du Nigeria qui d'habitude sont chers. Donc, euh, elle favorise l'accès à certains produits. Maintenant, par rapport aux produits de l'agroalimentaire, c'est ce que je vous parlais, tout en permettant l'accès à ces produits aux Nigériens, notamment les nyams, les fruits, les légumes. Mais en même temps, il tue euh, l'économie locale. Nous ne pouvons savoir actuellement, on n'amène plus les poivrons des DIFA. Néanmoins, ces vendeurs et réparateurs offrent des facilités aux clients car nul besoin de se déplacer pour certaines courses et services. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Attaquons la page sport euh, et nous sommes avec Hasumi Gourouza. Bonjour Hassoumi. Bonjour Sinou, bonjour Kia. Bonjour, La Super League du Niger se dessine à l'horizon, n'est-ce pas Oui, Sinou, c'est pour le week-end prochain. Les différents stades du pays vont vivre après, euh, voir voire un deux mois de repos bien mérité des joueurs. Depuis quelque temps, déjà, les différentes ligues régionales préparent leur club euh, pour le jour J et Zender n'est pas en reste. Sani Mohamed Di Nani, président régional de la Ligue de Zender, nous fait le point des préparatifs des équipes de Tamagaran. Il est au micro de Salamato Kadri notre seul club de la Super League, plus euh, deux autres clubs de Kandarga et Étoile Filante qui sont à la Ligue nationale, plus l'Espoir qui est à la Super League et une quatrième équipe, la sélection des jeunes de Zander qui ne font pas partie de ce club, sont en train de faire des matchs pour la mise en jambe pour les trois clubs qui vont commencer bientôt le championnat national. Donc ils sont préparatifs, ils ont leur équipe. et L'équipe est déjà là, on attend vraiment le dimanche prochain pour le premier match contre euh, la S-Police qu'on va voir ici. Sinon, là le deux cas, les préparatifs plus euh, la Ligue régionale, tout se porte bien et il n'y a aucun problème. par ailleurs, euh, dès dimanche, euh, le président vient de le dire, Espoir Zender recevra l'AS Police de Niamey. La première édition de la Coupe Zamani de Taekwondo a eu lieu hier à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Gourza, quels sont les objectifs Oui, Rekia, c'est une compétition initiée par quelques entraîneurs des clubs de Niamey en collaboration avec la Fédération nigérienne de taekwondo et de la Ligue de Niamey. C'est pour bien préparer les athlètes au tournoi futur. 32 clubs ont eu à participer à ce rendez-vous du donner et de recevoir. Adamo Haruna Bouhari, ceinture noire, quatrième dan, organisateur de cette rencontre, nous explique les objectifs assignés à cette première édition. Zamani, comme l'indique, euh, c'est juste une mise en jambe pour permettre euh, aux jeunes athlètes de se promouvoir et enfin pour que la performance puisse être au rendez-vous. Il y a combien de clubs 32 clubs, deux clubs également. La compétition à venir, il y aura beaucoup de surprises. Sur le contexte actuel, c'est pour que l'unité et le rassemblement entre les, athlètes et les maîtres également puissent y être au rendez-vous. Je lance un appel à la fédération d'apporter un soutien encore plus aux promoteurs que nous sommes, maîtres et athlètes, d'essayer de nous comprendre afin que nos enfants puissent répondre à la fédération. Voilà, c'est tout pour le sport d'aujourd'hui. Merci, Groza. C'était la page du sport. C'est nous, c'est l'heure de découvrir l'art star du jour. Oui, partons à Dosso pour découvrir l'histoire de celle qui est considérée comme un esprit puissant et protecteur du sultan de Dosso. Il s'agit de Sofa Kolei, hein, un génie qui aurait euh, des pouvoirs et défendait la population de Dosso en temps de guerre et à la guerre. Elle est souvent invoquée et vénérée pour assurer la sécurité et la prospérité de la région. Garba Abdou, un notable du Dosso, nous dresse son portrait au micro du studio Kalango. Sofa Kolei, Ganjiwe Borno, Hariranago. Don a kala sabar bongu université ta jodo hareno igo no din kan yano kan imani tekala imukwara hallasi sofa kol daigo i berera kala i bumbo i tun aman kwarezui aman beka kwarezui ngan dinga mai gidano ka isina se kala mai bulala mai bulala mo barzuna se ranguno ga barbare boromo go bango bangora mai bulala o tamno marguno tukoze folan na se sofa kolai bore kan ga koi fada bangu igidiya bai kan tun zadi hinai sanda kar du matan cin koi bangu kanen ga gunyu bai ni kaka garno dim ha dim bon bon hum nun sidi mon du mafa bon hum nun nun sanda matka andi na hara koi fota din te ya dinago fo folon na se amma ni sidi aga hamo kulo kai fo fa hinne ni gihin kadi da torongo me da da ma yoje musu musu musu eh, eh, am am el se retira am ya harora da wongutun nigi dia dingi jine am am furu jamara bore mi dambare mi gudu we borno gono hasoro te we borno gono hasoro te kalama am am wongo gare zan koy eh kulkan kano iga a sacrifice te e koy ma haucire wi da wayan da charo ta chokuno iga iga sar sacrifice dinte kwara halisense to so fa kole yo annasare kano kuran da yanadin no nan Chers auditeurs, bouclons notre liste musicale d'aujourd'hui avec le titre Indasso. rana a duniya in kun so ku ajini dan da ku ne zan iya tafiya samu ku waka ku rawa sai idan dai bani da lafiya Gracias, Voilà, Indosa, chers auditeurs, auditrices, euh, c'est bien le titre que vous venez d'écouter, tout en espérant que vous avez aimé euh, cette chanson. Alors, euh, dans la chronique Loti de ce jour, on parle de la calomnie, de la jalousie, les ont dit, comme on les dit souvent. Rakia, Arimi et Aminata. Aminata Boubacar nous entretient sur les conséquences de ces comportements. On écoute. Loti, loti, loti, Hey, hey, Alia, gungum. Hey, ifa nogo go tewo, ifa sai gungum. Son dare hina ne di bismot kira dinaga. Ai siba am di ir. To kalamate, ifo si. nikorono ayya ay bayan waga zakir na kurana irsin da kyar labari a ai woka man tai cura ni man mahaika te hanna sinu ifo na tasi hmm ine kan ingino na hanna safar a sino hanna sin da bani mi mhm mai no kini sai yadin kura borai no gode gidirgi ci yadin to kiyai sai ifo ma ga sino rahina ga wadin tasi hmm zam sai hina wono ko ni zunomi a gonda a rusu hanna yanda a rusu no niya to ga hina bin da ingino ya yi kunno sasi a sai no akwai gasafa to rahina mono ya talkai zuno a ga can sai dai no akwai gasafa irkoi beri na dira ni bun bosa no ni siba bai matukan no abon wogo gada haifa ma hakoi dinbo ni bai kan arsalam taraira haubor gayan zunubu beri no sokobun boda ba ni ga haya bai ni di moni moni si ba san no bon ai bai ayya ya haikan ai ma manti basa nono wadini ini kan duma izi doro no nadi nadira ma hagoi din bon wato kul na gine ni sai mafatta hayayi wura ga kaga da sanni sanni foyen hangan hmm ya dinnu amma da kimno don ni sanni fallan kaki yayi si hmm. nadira da kimino ayo gane ni sai kan an dunya wo sara ni mu wangi boro a wani harose ni di kan harino kan sibore to ni di masabun da haikan goni sai ama beri ga barfo wani masin moka da kimino nadia wadi ma ga sai ni gine ni wani mu beri niga ya dinnu ni gicin hmm. son dai ne ni bumbo ni goken sai ga binde hai fai chuaga mutuno ni te go wane mi ga to ni di wala matikan ni ni mondo ma dan kyarra ya no rahina bumbo da ai bai dai dama sanno bina gasara mm, ni gicim to bisa irin mirfan dadi amma ai gogin hanga kendi hino dindira hina masine nigu tugu tugu koiga diga sannai woki aman hay kulte irse yadino yadino ayini ay fahama ichora to irmu koy lati lati lati lati lati C'était la chronique Lotti du studio Kalangu. Passons à présent à la rubrique linguistique en français et en anglais. Ça sera avec Jackie Dalton, la responsable éditoriale de la Fondation Hirondelle. Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. I hope you're well. Last week, la semaine passée, on a parlé du mot hungry, qui veut dire avoir faim. I'm hungry, j'ai faim. Et on a fait la comparaison avec le mot angry, qui veut dire je suis fâché. I'm hungry avec ha, j'ai faim. I'm angry avec a, je suis fâché. Et aujourd'hui, on va continuer de parler de sentiments. Et aujourd'hui, on va apprendre comment dire je suis heureuse. Savez-vous comment dire je suis heureuse ou je suis heureux Bah, c'est I'm happy happy. Et je suis triste, c'est I'm sad. Le mot sad veut dire triste. I'm happy ou I'm sad. Et peut-être si vous vous êtes levé très très tôt ce matin et vous avez beaucoup de travail à faire, vous allez dire à la fin de la journée I'm tired. I'm tired, ça veut dire je suis fatigué. I'm tired. Donc, on a vu les mots happy, Sad et tired. Maintenant, à vous de vous rappeler. Comment dire je suis triste ah, C'est I'm sad. Comment dire je suis fatigué I'm tired. Et comment dire je suis heureuse I'm happy. Happy, sad, tired. Those were today's English words. I hope that you are happy right now. Et j'espère que vous, vous êtes heureux maintenant. Merci Jackie, à bientôt. Chers auditeurs, merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages vocaux. Écoutons quelques-uns. Bira Idi Dogon Dawa masassaka. kuma ina ɗaya daga cikin masu sauraron Sidiyo Kalangu. Abin da nake saurare akan Sidiyo Kalangu al'amura wanda suke tahiya wanda mu ba mun iya ganin su ba amma in mun ji su ko mun yarda. Kuma kuna ɗaya daga cikin masu ban mutane sau da ƙafa. ku saurari ƙasar ka hakka saurari wata ƙasa abubuwan da suke taya in ka rike wannan to in Allah za kai yi amfani akan wannan za ka ba wani ma shawara a bisa kan abubuwa da suke ta yi goyon baya ɗari bisa ɗari wannan al'amura da kuke faɗi wanda za ku zana kaza da kaza wanda bamu sani ba wanda da mun shiga bbc ko jamus ko eh, gidan rediyon amurka kenan he mu ji shi a cikin gidan rediyon tasawa nesa ta zo kusa saboda lokacin da mu ta neman bbc ko jamus ko amurka da mun kama cdo kalangu kawai dukkan abubuwan da suke taya mana iya sauraron su ko mana karuwa da su duk iya abin da nake ni da he na tsaya na saurara har in ba wani labaru ga abin da ake tahiya ga abin da ake tahiya shawarar da nake cewa su rike rediyo a hannu ba wai wannan kaman waya wani bidiyo ba a'a rediyo ka ne da akwai kungiyoyi masu bin kare haƙƙin talaka da dan adam gaba ɗaya har ikon a ƙarƙashin kasashen su suna sauraron su kenan in ka bi shi anan za ka rika samu wata shawara gamsassa wadda in ka bi ta ba kan abin da ya sha maka musamman yanzu su turo harkar mikiya da manoma biya ya kamari ni dan Nijar ne kai dan Nijar kenan ya kamata manoma da mikiyaya su rika saurare da Allah suna bin sau da kawa kungiyoyin wannan da suke samu su kama nan zaman lahiya abokan arziki da zaka aika ma gaisuwa yanzu dai akwai bara na sa'idu sali iyo ni ba barbari ne insha Allah in an yi tuwon barabusko ko irin na bari bari ko gaya mai zan kai mai agaji ina ba shi gaisuwa gaisuwa da alhaji musa sale eh, tsohon ma'aikacinmu ya'u musa shabare an ne ta zabbi da saura 'yan uwa da amanan arziki gaba daya na jihar tasa hamma inda ba jihar tasa ba masu sauraron gidan rediyon tasawa masu sauraron kalangu su bi sau da kawa abu ne muhimmanci in sun rike zai amfana su

Nous allons passer à un autre morceau avant de clôturer ces noms. Bien évidemment, il nous reste quelques minutes à passer ensemble, pas moins de deux minutes, je crois bien. Alors, on va écouter une petite sonorité musicale du groupe Tal National avec ce titre Dunia. ce son, nous allons clôturer. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Nous étions en compagnie et vous étiez en compagnie de Alice Ousseini Disseno et moi-même Rakia Arimi. À la technique, la technique était assurée par Amina Hassan, Adama et Rahila Soumana étaient à l'édition. Et oui, ne manquez pas nos journaux à partir de 17h sur les ondes de nos radios partenaires et sur notre site web www.studiocalangou.org. Excellente journée à vous. Bye bye.